le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré au blocage du dialogue sur l'école publique nigérienne, notamment entre Cause Niger, Sinaseb et le gouvernement. Dans la première partie de ce forum, on va essayer de voir qu'est-ce qui bloque le dialogue entre les différents protagonistes, protagonistes de la crise qui secoue l'école nigérienne. Puis, dans la seconde partie, nous allons essayer de voir comment débloquer la situation afin de pouvoir sauver l'école publique nigérienne. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Alhaji Mustafa Kadi, acteur de la société civile nigérienne qui sera en ligne depuis Dosso. Mustafa Kadi, bonsoir. Bonsoir, euh, Nous avons aussi dans ce studio A A A un autre secrétaire général, celui de l'Association des parents d'élèves et étudiants, M. Wissilitan Nasratan. Bonsoir. Bonsoir, vice-président. Voilà, je corrige monsieur le, monsieur le vice-président. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, le président de la commission des affaires sociales du Conseil national de la jeunesse, M. Haruna Mahamadou, bonsoir. Nous avons également invité le secrétaire général euh, de l'UNUN, euh, Site Diabri, qui n'est jusque-là euh, pas dans notre studio. Avant de vous donner la parole, chers invités, je vous propose d'écouter d'abord les principaux protagonistes, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique à travers euh, M. Achanahima, euh, qui est le directeur des ressources humaines du ministère. Puis suivra l'intervention de M. Alio Hassan Samna, co-coordonnateur de Cause Niger. Euh, tous les deux, nous parlerons des causes du blocage du dialogue entre le gouvernement et des syndicats du secteur de l'éducation. On les écoute. Nous venons donc de nous lancer dans une donc vraiment de, blocage des négociations. Disons blocage des négociations du fait de la partie gouvernementale, puisque euh, vous n'êtes pas sans le savoir que euh, lorsque euh, les négociations s'étaient achevées et qu'au niveau de notre regroupement, nous avons décidé de continuer le mouvement, la partie gouvernementale, en l'occurrence le ministre de l'enseignement primaires et le président du comité donc, des négociations, avait préféré l'affrontement au syndicat. Euh, que la résolution des problèmes. Or, nous estimons que euh, ni les sorties de ces deux ministres qui étaient euh, qui malheureusement envenimé la situation, puisque nous ne pouvons pas comprendre, au moment où vous avez la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait la sérénité au niveau de l'école, que vous sortez et que vous attaquez, vous insultez, vous menacez, vous intimidez, donc ceux-là avec qui vous êtes appelés à, à négocier. Et lorsque vous détériorez le climat entre les partenaires, c'est-à-dire entre les responsables syndicaux et vous, le ministère, nous pensons que véritablement, on ne peut qu'être dans la situation actuelle, la situation donc de blocage dans laquelle nous sommes. À quand remonte la dernière rencontre que vous avez eue avec euh, les, autorités euh, du ministère en charge de l'éducation Bien, c'était depuis le 15 février. Depuis le 15 février, lorsque le comité interministériel avait eu à rencontrer donc euh, notre regroupement, notre synergie cause Niger-Sinaseb, il n'y avait plus eu de rencontre. Il y avait, c'était une rencontre au cours de laquelle le gouvernement est censé nous faire la situation donc par rapport aux engagements qui ont été pris. Et à la date d'aujourd'hui, malheureusement, il faut les regarder. Regardez simplement, vous allez vous rendre compte que eh, à la date d'aujourd'hui, nos camarades qui sont du secondaire, qui sont censés avoir leur salaire, ils ont les matricules jusqu'à aujourd'hui. Même ce mois-là, ils n'auront pas les salaires. Les recrutements au titre des années 2012, 2013, 2014 n'ont pas été réglés. La question de la grille salariale est restée. Les cas d'intimidation que nous avons évoqués, qui étaient en préalable, sont devenue maintenant monnaie courante, le gouvernement euh, se donne le loisir et le plaisir d'affecter arbitrairement, de menacer, d'intimider. C'est pour vous dire que aujourd'hui, véritablement, depuis le 15 février, euh, le ministère a choisi à travers ses responsables l'affrontement, l'intimidation que de s'asseoir et de trouver des solutions aux problèmes posés par les syndicats d'enseignants. Beaucoup d'observateurs parlent de blocage du dialogue que depuis le 15 février, pratiquement, il n'y a eu euh, aucune rencontre entre vous et les, syndicats des enseignants. Et pourquoi exactement Non, je vous ai dit euh, la semaine passée déjà, donc il n'y a pas de blocage, de blocage de dialogue. Donc la semaine passée, on travaille dans le comité. C'est une mise en œuvre, ce n'est pas des dialogues qu'il faut faire, il faut mettre en œuvre et on a convenu d'un délai pour se rencontrer. On a dit 15 février. Et avant le 15 février, ils ont déposé, on les a appelés. On a, on a discuté, on a fait le point, on a dit voilà comment est-ce qu'il faut aller de l'avant. Fin mars, on devrait se revoir. Ils sont au courant Est-ce qu'ils sont au courant que fin mars, il y aura une rencontre C'est un truc écrit. C'est bien écrit, noir sur blanc. Fin mars, vous voulez dire exactement à quelle date euh, le, bon, le 31 mars, c'est ça la fin mars. Maintenant, la date n'est pas précisée, donc sous forme de convocation. Mais à ce temps-là, on va dire qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. C'est ça, pour nous, ce n'est pas de nouvelles négociations qu'il faut faire on a déjà négocié, c'est la mise en œuvre. Donc il vous revient à vous maintenant, donc euh, la, la, la, charge vous, vous revient d'honorer aux engagements Super, oui, oui, d'honorer aux engagements. C'est pourquoi on s'active sur l'action d'immatriculation, parce que le deadline c'est fin à fête mars. Il faut que même si on n'arrive pas à finir, qu'on commence cette question-là. Donc euh, quand on entend les gens parler de dialogue à fête rompu, on a négocié, on, a, on est trouvé sur un accord, on est en train de mettre les accords en, en œuvre. Cette difficulté, on devrait se revoir pour dire voilà, voilà là où ça bloque. Donc, il ne s'agit pas de nouvelles négociations. Mais ceux qui veulent amplifier le, le débat, on sait que les gens doivent être patients pour qu'on se rende compte conformément à ce qu'on avait arrêté. Vous venez là euh, d'écouter d'abord euh, Alio Hassan Samna, euh, co-coordonnateur de Cause du Niger, puis ensuite Achana Hima, directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire. Si la liaison téléphonique est bonne, on va aller vers Mustapha Kadi qui est en ligne depuis Dosso. dit Mustafa Kadi, bonsoir. Bonsoir, euh, Monsieur M. Euh, vous venez là euh, d'écouter les deux protagonistes de la crise qui secoue l'école publique nigérienne. quel commentaire vous suscite ces deux extraits D'abord, merci pour votre radio d'avoir initié ce débat. Mais aussi, je remercie les acteurs parce que apparemment, les deux parties sont ouvertes pour s'asseoir et dialoguer. C'est le plus important. C'est ce qui suscite aujourd'hui, eh, en tout cas, les deux interventions. On a l'impression que chacune des parties, aujourd'hui, émet le vœu d'aller sur une table de négociation. C'est le plus important. Et euh, ma foi, je pense que ce débat va le susciter. Alagé Mustafa Kadi, selon vous, comment on est arrivé à ce, à ce blocage Vous savez, dans un tel contexte, il n'est pas aussi prudent de revenir sur certaines causes, parce que cela va également euh, renforcer le dysfonctionnement au dialogue. Et c'est cela qu'on doit éviter aujourd'hui. Du moment où les parties sont euh, ouvertes au dialogue, je pense qu'on doit les encourager à travers ce débat. Mais mieux peut-être à travers d'autres contacts pour que finalement euh, le, dialogue euh, reprenne. D'autres contacts comme qui, par exemple, Alaji Moussa Kadi Par exemple, la, société civile est un acteur la société civile peut bel et bien rapprocher les deux parties. il y, avait, une tentative, une première tentative menée par, plusieurs structures euh, islamiques du Niger qui n'a pas malheureusement abouti. Bon, je, pense qu'on ne doit pas maintenant regarder euh, l'échec. On doit plutôt encourager ces organisations. Si on peut avoir d'autres qui viennent pour renforcer les, associations religieuses, c'est aussi bien. Parce que dans tous les cas, l'éducation appartient à tout le monde. Il s'agit de, l'éducation publique, de l'éducation nationale, de l'avenir de notre pays. Eh bien, je pense que euh, du moment où le débat est posé, et tous les acteurs nigériens maintenant doivent, euh, doivent accompagner pour qu'il reprise de ce dialogue. Alaji Mustafa Kadi, bientôt euh, les, les, scolaires vont entamer la dernière, euh, le dernier trimestre. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard Non, pas du tout. On a, vous-même, vous avez voulu certainement citer le, le dicton qui dit bon, pour mieux faire, il n'est jamais trop tard. Parce que l'avantage que nous avons, c'est qu'au Niger, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. Si un protocole intervenait, par exemple, entre les deux parties, on constate bien les efforts déployés par les enseignants eux-mêmes pour rattraper les cours. Donc, euh, dans ce sens, on peut bel et bien encourager les deux parties à trouver justement un consensus. Et puis maintenant, nous faisons confiance aux enseignants pour euh, aider les enfants à, pouvoir euh, rattraper les cours tardifs. Alhaji Mustafa Kadi, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à Haruna Mahamadou, euh, qui est euh, au niveau du, du, CNJ, le Conseil national de la jeunesse, qui a entrepris, qui a récemment entrepris une euh, médiation, une, médiation entre les différents protagonistes de la crise. Haruna Mahamadou, vous avez rencontré les différentes parties. Selon vous, quels sont les différents point de, désaccord euh, Merci Mokhtar. Euh, de prime abord, permettez-moi très sincèrement de saluer et encourager les studios Kalangou de cette opportunité qu'ils nous offrent pour parler d'une question aussi sensible et d'actualité que celle de l'école nigérienne. Et vous l'avez si bien dit et relevé que le Conseil national de la jeunesse a entrepris, en tout cas la semaine surpassée, une sorte de médiation. Et dans un premier temps, il nous a été donné de rencontrer euh, la synergie cause euh, Niger-Sinaseb. Ces acteurs ont été très ouverts. Ils nous ont expliqué véritablement le point de leurs revendications et ce qui fait en sorte que jusque-là, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Après eux, nous avons rencontré parce que nous nous sommes dit il faut aller au-delà en tout cas du comité interministériel qui a été mis en place et qui en réalité était l'objet même de la dissension et de la clôture, si je peux le dire, et de ces négociations. Ce qui nous a eh, directement donné droit à saisir le Premier ministre, qui nous a aussi rencontré et qui a montré son souci de créer les conditions de faire revenir la sérénité au niveau du système éducatif. L'un de l'autre, il faut tout simplement dire que les deux parties eh, sont prêtes à ce que les dialogues eh, reprennent à ce que l'école nigérienne soit sauvée. Parce que Mokhtar, il faudrait le dire, la question de l'éducation, c'est une affaire de tous. Et tous les acteurs concernés ne doivent pas rester impuissamment regarder cette situation perdurer. Vous l'avez si bien dit, il ne reste qu'un seul trimestre aujourd'hui. Et au vu du taux d'exécution, véritablement la situation est, inquiète. Et je pense que chacun d'entre nous doit s'y mettre pour que les deux acteurs puissent se retrouver sur une table de négociation et trouver les solutions. Parce qu'il faudrait le dire, le syndicat et l'État ne sont pas des adversaires, encore moins des ennemis, c'est des partenaires. Et je pense que dans un respect mutuel, ils peuvent trouver des solutions, surtout qu'on sait que, en tout cas, rien n'a été impossible pour nous les Nigériens quand il s'agit de dialoguer et quand il s'agit de mettre en, en exergue l'intérêt général, l'intérêt, en tout cas, de notre euh, chère nation. Haruna Mahamadou, votre structure, euh, le Conseil national de la jeunesse, a, eu, à écouté euh, toutes euh, les deux parties en conflit. selon vous, toutes les deux parties ont marqué leur accord pour le retour de la sérénité, pour se retrouver autour d'une table de négociation. concrètement, selon vous, qu'est-ce qui bloque toutes les parties, vous savez, toutes les parties ont manifesté leur désir de, se retrouver autour d'une table. Et nous, ce qu'on a compris, ce qui bloque, c'est essentiellement des éléments. C'est la question de l'évaluation et celle du recrutement. Parce que dans un premier temps, c'est un certain nombre de points, je pense qu'ils sont au nombre de cinq, que le syndicat a mis sur table. Le recrutement 2012, 2013, 2014, 2015, le paiement des péquils et salaires à terme échu, la question, le refus de, l'évaluation dans sa forme actuelle et, je pense euh, la mise en solde de, de, des camarades camarades qui ont eu leur matricule. Donc aujourd'hui, je pense que certes les arrêts ont été épongés et même s'il faut créer les conditions de consolider cet acquis, c'est-à-dire de payer à terme échu les salaires et les pécules parce que c'est la survie et ça a un caractère social. Mais je pense que ce qui bloque, selon nous, c'est notre appréciation. En réalité, c'est l'évaluation. Est-ce que, Est-ce que dans les jours à venir, on peut euh, prétendre, on peut euh, prétendre surmonter toutes ces difficultés Le Premier ministre nous a rassuré qu'il fera de son mieux après avoir consulté ses techniciens et son staff pour que véritablement le dialogue reprenne le plus vite possible et que ce qu'il y a à sauver soit sauvé. Et nous avons l'espoir que cela est possible. Monsieur le vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants, votre euh, structure, votre association a récemment peaufiné un projet de déclaration sur le sort de l'école publique euh, nigérienne. Vous me l'avez dit tout dernièrement. Euh, quels sont les points saillants de cette déclaration Bien. Euh... Assalamu alaikum d'abord. je tiens à remercier le studio Kalangu pour ce forum et pour les invitations lancées toujours à l'endroit de notre structure euh, pour venir euh, apporter son point de vue dans la situation que vivent euh, nos enfants dans le cadre de l'école nigérienne. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien dire que si y a eu le protocole du 13 décembre, c'est grâce à l'initiative de l'association des parents d'élèves. <clears throat> C'est nous qui sommes allés vers les grands témoins qui sont allés toucher le, ministre d'État Bazoum. Je me rappelle bien, c'était le, jour de la clôture de la dernière euh, session de l'Assemblée euh, nationale. Donc, si aujourd'hui, le 13 décembre, est sur le plateau, c'est déjà un, un, grand pas. Maintenant, le suivi. Et c'est là que j'apprécie et j'encourage l'initiative du Conseil national de la jeunesse, parce que, comme il a dit, c'est une affaire de tous que tout le monde doit avoir les yeux braqués sur ce protocole pour qu'il puisse être mis en œuvre au bénéfice de l'État du Niger et de son peuple. Maintenant, vous avez dit effectivement, vous parliez de déclaration. Vous saviez, euh, pour une structure, une déclaration, ce n'est pas une petite affaire. Il faut savoir comment la préparer et quoi dire là-dedans, surtout connaissant le contexte dans lequel notre pays est. Aujourd'hui, derrière toute une déclaration, il y a beaucoup d'interrogations. Et rien que ce matin, nous étions à table. Je crois que euh, d'ici demain midi, midi, la table, euh, la déclaration sera terminée et dans 48 heures, Inch'Allah, elle sera euh, rendue publique. oui, elle sera rendue publique. Par rapport à votre question, quels sont les points saillants de, Les points c'est l'appel lancé par le, Conseil national de la jeunesse. moi, je me dis qu'on n'a même pas à se soucier de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une obligation à ces deux, que ce soit les partenaires de l'école ou les membres du gouvernement. Surtout, le gouvernement est obligé de mettre les enfants dans les conditions. Ils nous ont demandé, nous les parents, de mettre à leur disposition les enfants. On a mis nos enfants à leur disposition. C'est un droit de les éduquer. Ils sont obligés de les éduquer, quel que soit ce que ça va leur coûter. Monsieur le euh, vice-président de l'association des parents d'élèves, euh, vous, étiez les premiers initiateurs du, dialogue euh, entre les deux protagonistes. Selon vous, où se situe le problème, où se situe le blocage Moi, je ne vois même pas de blocage du moment où même, euh, comme ils ont dit, la dernière euh, rencontre entre les, ministres, euh, entre Marté et le syndicat, nous étions témoins. Quand nous étions sortis, je l'ai dit ici une fois, vraiment c'était des accolades. Ils ont compris que l'évaluation, ils l'ont acceptée. Peut-être c'est la forme. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas nous ramener dans les histoires de l'article 37 de la Constitution qui a mené le référendum. Le jeu des mots. Une évaluation, c'est quoi C'est quoi une évaluation quand on veut savoir Parce que nous, il faut demander le point de vue des, des parents. C'est nous qui avons besoin d'une éducation de qualité. C'est à nous de demander est-ce que cette chose-là, elle est bien ou elle n'est pas bien. Nous l'avons senti <coughs> et tous les législateurs de la fonction publique et des, droits du Niger étaient venus nous faire comprendre que c'est bien normal, c'est légal. Et le Conseil d'État a dit que c'est légal. Je ne vois pas maintenant pourquoi euh, ou, quels sont les points noirs qui sont cachés derrière euh, cette évaluation pour euh, amener à, nous étrangler l'avenir de nos enfants. Monsieur Wissilman Nasratan, euh, vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants, laquelle des deux parties doit faire des concessions pour aboutir à une cohésion, une entente nationale pour le bonheur de l'école publique nigérienne En termes de l'éducation, il n'y a pas de, de parti. Nous sommes tous un. Nous sommes des Nigériens, nous tous. Nous n'allons pas demander à l'État ou aux partenaires ou aux syndicats de faire ceci ou cela. Mais ce que je dis, c'est que l'État, l'État se voit dans l'obligation de comprendre les fils du pays. Que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Maintenant, entre les deux, s'il faut s'adresser, nous sommes tous des religieux, quelle que soit la religion à laquelle euh, tu appartiens. Et chaque enfant nigérien est l'enfant de tout père. Les enseignants sont des parents d'élèves les ministres sont des parents d'élèves. Donc, aucun d'eux ne se retrouvera à l'aise de voir son enfant croupir toujours dans la cour de l'école, demander 25 francs, ou, se traîner dans la rue et prendre euh, les mauvaises habitudes de s'asseoir à longueur de journée jusqu'à finir dans les chichets et dans les drogues. D'aucuns pensent que si l'école publique nigérienne est dans cette situation, c'est parce que les hauts responsables n'ont pas euh, leurs <laughs> enfants dans ces écoles publiques. Même s'ils n'ont pas leurs propres enfants, ils ont leurs ils neveux, ils ont leurs cousins, ils ont les fils du Niger et ils ont juré devant le Coran de, rendre, de, servir le Niger. Ces enfants-là, ne veulent, euh, ces enfants, les enfants qui n'ont qui, pas enfanté, ils sont, plus nombreux que, euh, euh, que ceux qu'ils ont enfanté et que les droits de ces enfants va les rattraper. Si la liaison téléphonique euh, est bonne, on va aller à Dosso euh, pour euh, suivre Moustapha Kadi. Moustapha Kadi, Moustapha Kadi, vous avez quelque chose à ajouter Oui, euh, j'ai compris que tous les acteurs sont conscients des, dangers aujourd'hui auxquels s'expose le col Donc, nécessairement, l'on doit passer à la parce que le plus important. Alak, ça veut dire quoi concrètement, Alaji Mustafa Kadi Bon, l'acte, ça veut dire se remettre sur une table. Puisque euh, apparemment, rien ne bloque. Si on, fait une petite synthèse euh, de ce qui a été dit, il n'y a plus de blocage. Mais tout à l'heure, lorsque vous avez diffusé les premières interventions, notamment l'intervention du syndicaliste j'ai relevé effectivement qu'il y a un petit blocage, qu'il a d'ailleurs rappelé. Mais maintenant, au cours du débat, euh, je relève que les uns et les autres, bon, euh, reconnaissent ou, du moins euh, pensent qu'il n'y a, a pas lieu de dire qu'il y a blocage. Eh bien, dans ce cadre, alors avançons et pour, avancer, déjà, eh, il y a une idée eh, en direction du Premier ministre. Il faut l'exploiter, il faut la renforcer. Peut-être s'il y a d'autres acteurs, ils peuvent aussi se joindre à ces jeunes que je félicite. Mieux, par exemple, les, parents d'élèves peuvent maintenant les accompagner, ils peuvent être leurs conseillers et voir comment les partis vont s'asseoir et sauver notre école puisque l'urgence est signalée. Nous sommes à quelques mois euh, des, vacances, à quelques mois euh, des examens. et eh bien, donc, il n'y a plus euh, de chance pour nous de traîner encore les pieds. rapidement, Mohamedou Harouna, si vous avez quelque chose à ajouter, vous venez là d'écouter Aladji Mustafa Kadi, le président, le vice-président de l'association des parents d'élèves. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les idées convergent. Les soucis sont les mêmes, les préoccupations sont les mêmes. Et de ce point de vue, il est important, chacun en ce qui le concerne, de véritablement bousculer davantage pour qu'il y ait quelque chose de concret, pour qu'il y ait ce retour à la sérénité, pour que nous puissions sauver notre école. Une école qui, dont le système reste à désirer. Et je pense et cela doit véritablement nous interpeller. Et chacun, en tant qu'acteur, doit aussi comprendre et savoir qu'il a un rôle à jouer et s'il ne le joue pas, non seulement sa conscience le grondera, mais aussi il sera responsable de tout ce qui adviendra en termes de la déliquescence ou en termes de la déperdition que nous risquerons véritablement de constater dans les années à venir, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, de ce point de vue, je pense vraiment au nom de l'intérêt supérieur de la nation, chacun doit mettre de l'eau dans son vin, comme on l'a dit, et voir ce qu'il y a de plus urgent à sauver. Parce que les revendications ne vont jamais finir. Ça, c'est clair. Et les revendications ne peuvent pas toutes avoir satisfaction en une seule négociation ou en, en un an. C'est une question de processus et progressivement nous pouvons créer les conditions non seulement d'améliorer les conditions de ces enseignants, mais aussi aller vers une école de qualité. C'est ça aujourd'hui notre souci et nous, nous, relevons qu'en réalité, nous ne sommes pas en train de faire une action de charme ou du populisme. Nous le faisons parce que nous considérons que nous sommes jeunes et aujourd'hui, c'est nos petits frères qui sont en train d'être pris en otage et cela nous interpelle. C'est notre devoir et c'est notre rôle que nous sommes en train de jouer et nous allons le faire, quel qu'en soit ce que cela et va nous coûter en termes de perte d'énergie, en termes de sacrifices à consentir. Monsieur le président, le vice-président de l'association des parents d'élèves, rapidement en 30 secondes, si vous avez quelque chose à ajouter à ce, qui concerne cette première partie. Ben, euh, au risque de me répéter ou de répéter euh, le représentant du Conseil national des jeunes, euh, nous n'avons pas à traîner les pieds, comme l'a dit Alhaj Mustafa Kadi, parce que l'année tire vers sa fin et nous sommes obligés d'évaluer nos enfants. Donc, euh, il va de l'intérêt et de l'énergie de tout un chacun que, quelle que soit la situation, nous devons garantir l'avenir de ces enfants-là parce qu'ils sont le Niger de demain. Marquons une pause de cinq secondes avant de poursuivre euh, cette, euh, ce forum. La deuxième partie de ce forum nous amène à nous demander comment débloquer cette situation alarmante de l'école publique nigérienne. Avant de vous donner la parole, retrouvons à nouveau les protagonistes, à savoir le ministère de l'éducation primaire représenté par Ashana Hima, suivi d'Alio Hassan Samna, co coordinateur de cause Niger, qui parle euh, de ce moment, euh, qui parle de comment débloquer la situation. On Les écoute. Quelle est la solution pour vous pour reprendre les négociations, pour sauver l'année eh, Écoutez, nous, au niveau donc de cause niger sinaseb nous ne demandons que la reprise des négociations. Mais dans le contexte actuel, au moment où ces mêmes ministères, ces, responsables des ministères qui sont censés négocier avec nous, sont sortis pour nous insulter, sont sortis pour nous menacer, sont sortis pour arrêter certains camarades d'entre nous, est-ce que eux, ils sont habilités à continuer les négociations avec nous C'est la question que nous nous posons. Eh, parce que nous disons, est-ce que le climat sera un climat favorable pour qu'il y ait négociation Mais si la partie gouvernementale Estime que ce sont eux nous, nous ne pouvons que demander vraiment à ce que nous puissions être conviés afin que nous puissions négocier. Dans tous les cas, nous ne faisons pas de choix des partenaires, tel que soit celui avec qui eh, nous devons négocier, nous allons le faire. Nous sommes vraiment ouverts au dialogue. Nous attendons l'invitation du gouvernement pour reprendre les négociations, mais nous pensons qu'il faut que les gens soient sincères et que les gens soient objectifs et que les gens soient responsables. Je dis responsable au plus haut niveau, de façon à pouvoir ménager le partenaire et pouvoir continuer demain à négocier avec crédibilité avec le même partenaire. Il y a eu un communiqué conjoint le 3 décembre 2016. À travers ce communiqué conjoint, il y a eu des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Ces engagements consistent à la mise donc à fait en œuvre à travers un comité de suivi où on s'est donné deux deadlines pour pouvoir faire le bilan. la première date du bilan, c'était le 15 février. On s'est retrouvé avec les syndicats, on a fait le bilan. Et d'ici la fin de ce mois, donc euh, le fin mars, le gouvernement devrait se router pour pouvoir faire le bilan des enfants de points. Et je pense que ça a été largement dit sur les médias concernant le préalable qui est qui n'est pas un peu mais qui est un peu en relativement à la question d'affectation que les syndicats considèrent arbitraire, sans terme de question a été réglé, La même chose pour les arrêts de salaire, les paiements des pécules attendent et au même moment c'est fait même s'il y a des disparités encore entre les régions. Ces disparités, vous savez, ça fait partie d'un grand problème difficile à régler. La nature, la procédure de paiement des pécules qui se font, pas par virement direct, mais par AD, par autorisation des dépenses qui à la région. Et les régions n'ont pas les mêmes possibilités financières. Il y a toujours ces décalages-là pour lesquels euh, des réflexions sont en train d'être envisagées pour voir comment y mettre fin. En ce qui concerne les simulations qui ont été demandées, il y a eu la simulation pour voir si la grille telle qu'elle je ne sais pas, la voulait, quel est l'impact financier. Et c'était convenu que le gouvernement leur a dit qu'il ne pouvait pas octroyer ça cette année, étant donné les raisons économiques que tout le monde connaît. Et même donc, en fait, l'ont compris, ils ont estimé qu'il va falloir faire plusieurs scénarios pour, même si on ne va pas dire cette année, quand même compromettre euh, dans d'autres années. En ce qui concerne <clears throat> la question du recrutement, il y avait un volet qu'il faut réviser le décret. On a mis en place le comité, on a travaillé, on a finalisé le projet, donc euh, l'avant-projet du décret avec les syndicats, donc où ça a été réécrit de manière à permettre à ce que le recrutement se fasse sur des bases qui permettent d'avoir plus de transparence par rapport à ça. L'objectif du décret, c'est pour permettre aux recrutements qui vont venir. Mais en amont, il y a l'immatriculation de ceux qui ont été déjà sélectionnés donc euh, cette immatriculation fait a, commencé avec euh, la vague de le processus a commencé de 476 qui sont de la promotion 2013 avant donc d'aller aux promotions suivantes. Le décret n'était pas lié à l'immatriculation, donc le processus a fait a commencé Comme vous le voyez, c'est ça les photocopies que j'ai faites dans ce pas des arrêtés. Donc euh, le processus depuis a été relancé sur l'instruction du président du comité par là. Donc globalement, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ce nombre de questions. Mais ce que les gens ne savent pas, ce qui est venu encore se greffer, c'est la question comme la question de l'évaluation où chacun interprète à faire là-dessus. Et là, c'est un domaine assez technique. Souvent, bon, les gens ont mis tout ce qu'ils mettent à faire comprendre pour pouvoir mettre leur base à fait ambrale. Mais ce n'est pas un débat quand même, euh, c'est un débat des spécialistes pour savoir quelle est la meilleure formule par rapport à ça, par rapport aux craintes que les enseignants ont sur cette question, donc à faire des C'est peut-être ça plus qui animait au fond. Vous n'avez pas d'éléments assez graves qui puissent euh, empêcher à ce que la sérénité, dans tous les cas, on va se revoir comme nous sommes, je dis bien, à la fin de mars avec donc, les syndicats pour encore faire le bilan conformément à ce qui avait été le communiqué conjoint. Vous venez là de suivre euh, successivement Aliou Hassan Samna, co-coordinateur du cause, euh, suivi de Hachanahima, Hima, euh, directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation en primaire. Si la liaison téléphonique est bonne, on va aller vers Dosso où nous allons retrouver Mustafa Kadi. Mustafa Kadi, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez là de réécouter euh, les deux euh, parties euh, en, conflit. Qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir Oui, effectivement, j'ai bien compris la, question. Je pense que maintenant, avant de reprendre ce, ce dialogue tant attendu, il y a la nécessité d'une restauration de la confiance. C'est-à-dire, chacune des parties doit éviter la provocation. Parce qu'un dialogue doit se faire dans le respect mutuel. Il doit se faire dans la transparence. Maintenant, mieux, si le gouvernement pense qu'il peut aller encore plus loin, il peut bel et bien désigner un médiateur. Ça se fait un peu partout. que la situation du Niger est, similaire à, celle des, autres pays africains. ici, à côté de chez nous, chez nos voisins, lorsqu'il y a blocage, euh, au niveau des partis, c'est-à-dire des acteurs sociaux, immédiatement, on, désigne un médiateur pour intervenir entre les, acteurs. Bon, nous avons la chance d'avoir les grands témoins, parce que tout à l'heure, un des intervenants a évoqué euh, la présence des grands témoins. On peut les impliquer dans ce débat pour qu'il y ait euh, reprise de confiance entre, entre les partis. Maintenant, <coughs> très souvent, en fait, qu'est-ce qu'on relève ou qu'est-ce qu'on constate parce que de tout temps, on remet en cause et puis les grèves reprennent. Donc le gouvernement doit s'attendre à une chose. Cette fois-ci, s'il prennent les engagements, il doit les respecter au bout. C'est-à-dire, il ne faut pas signer un protocole juste pour faire plaisir à X ou Y. Alaji Mustafa Kadi, faut-il rester optimiste quant à une issue heureuse de ces négociations prochaines Bien entendu, M. Mouktar moi, je nourris toujours de l'espoir pour notre pays. Et je, reconnais une chose. Les Nigériens sur une table s'entendent toujours. Donc, il, n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas se retrouver et puis regarder ensemble l'avenir de ce pays. Nous allons vers euh, vous, Harouna Mahamadou. Euh, votre structure, le Conseil national de la jeunesse, a également entrepris euh, tout récemment une médiation pour ramener les deux parties sur une même table de négociation. Selon vous, comment débloquer cette situation alarmante de l'école publique nigérienne Débloquer cette situation, je pense comme l'avait dit Alage Alaj Kadi, il faut d'abord restaurer la confiance. Parce aujourd'hui, en réalité, le problème qui se pose, c'est surtout celui de la crise de confiance quand une partie estime que l'autre l'a lésé ou l'a méprisé et qu'on se mette euh, dans des positions figées et qu'on s'arc-boute, en tout cas euh, dans des situations de non-retour, là ça devient grave. Donc il faut restaurer cette euh, confiance entre les deux partenaires et au-delà, je suis d'accord qu'il faut impliquer tous les acteurs, tous les grands témoins parce que les gens se sont activés mais certains étaient découragés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre réellement la position de certains, surtout les syndicats. Je l'ai dit sans embâche parce que nous avons rencontré plusieurs acteurs il y avait l'association des parents d'élèves, le vice-président l'avait soulevé, ils étaient en tout cas les premiers à créer les conditions pour qu'il y ait en tout cas ce comité interministériel. Il y a l'association des chefs religieux, des chefs traditionnels, d'autres structures de la société civile. Et les syndicats aussi nous ont dit qu'ils ne font plus confiance à certaines structures et voilà pourquoi ils n'ouvrent même pas leurs portes à, ces structures-là parce qu'ils ont perdu leur crédibilité. Je pense que l'un de l'autre, nous devrons éviter en tout cas des jugements, eh, des valeurs ou des jugements a priori, nous devrons voir l'intérêt générale général et surtout que le, le, directeur des ressources humaines l'a relevé, il n'y a pas aujourd'hui un élément grave qui puisse compromettre en tout cas ces, retours au dialogue et pour que la sérénité revienne. Et je pense que vraiment, nous, en ce qui nous concerne, nous allons suivre cette question et nous ferons en sorte qu'on puisse, euh, qu'on puisse assister à un dénouement heureux pour que l'enfant du pauvre, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui empathie aujourd'hui, puissent véritablement bénéficier des mêmes chances que les autres enfants qui ne sont pas les enfants des pauvres. Ce n'est pas déjà trop tard Pour moi, ce n'est pas trop tard. On sait que ça reste un trimestre, mais si les uns et les autres se mettent d'accord, je pense qu'on a toujours vécu ce genre de situation. Il y aura des rattrapages et l'année peut être sauvée convenablement. Euh, monsieur le vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants, quelles sont euh, euh, les solutions préconisées par votre structure Bien, euh, il n'y aura pas d'autre solution en dehors de ce qui a été développé par les précédents intervenants. Et pour qu'il y ait solution, d'abord, il faudrait être honnête avec soi-même. Moi, je crois que les Nigériens sont en train de blaguer avec l'avenir de ce pays. Parce que tu ne peux pas te cloîtrer dans ton coin ou te cacher derrière une structure, la prendre en otage et lui donner l'image de tes idées que ce soit les partenaires, que ce soit les syndicats ou les membres du gouvernement, ils doivent se départir de leur ambition personnelle de servir l'État du Niger. Parce que c'est l'État qui leur a donné cette responsabilité et cette occasion de parler au nom du peuple du Niger. Une structure syndicale est une structure que nous devons respecter et qui doit se faire respecter. Un membre du gouvernement n'est pas n'importe quelle autorité. La parole du membre du gouvernement est sacrée. Je vais vous ouvrir une parenthèse la dernière rencontre que nous avons eue, effectivement, le ministre Daouda Malam Marté a reconnu l'écart de langage de certains cadres du ministère qui ont eu à passer sur les, médias, euh, commenter, insulter les enseignants, et il s'en est excusé publiquement devant les structures syndicales. Quand un ministre s'excuse, je crois que nous devons prendre cela en considération. Et c'était pourquoi j'ai dit, nous, parents d'élèves, nous ne comprenons pas. Après ces excuses, qu'il y ait encore certains remous ou certains écarts de langage, ceci va faire en sorte que le peuple lui-même soit découragé. Mais je crois, comme l'a dit, impossible n'est pas nigérien, comme l'a dit le, le, représentant du Conseil national de la jeunesse. Nous devons nous départir de ces ambitions personnelles-là et accepter que ces problèmes-là, si nous n'arrivons pas à les résoudre, ce serait une honte pour la nation. Ce serait une honte de mettre mal à l'aise les enfants, moi je vous parle en tant que parent. J'ai mes enfants qui sont au public, j'ai des enfants qui sont au privé. Que ferais-je à la fin de l'année si l'école publique a été prise en otage et par le gouvernement et par les syndicats Que, dirais-je à mon enfant qui est au privé Il a son droit, lui. Il a fini l'année en, en bonne et due forme. Que les gens se mettent en tête que ces enfants-là, ne doivent pas subir des examens partiels que le Niger ne peut pas honorer, euh, ne euh, euh, sais pas, satisfaire certains de ses enfants et oublier euh, certains. Donc c'est pourquoi je reviens en disant que nous revenons à de, que nous revenions à de meilleurs, sentiments. Et je suis sûr que comme tout le monde l'a dit, quand nous allons nous retrouver, chaque fois que nous nous retrouvons autour d'une table, nous sortons satisfaits. Les syndicalistes l'ont dit, ils attendent que le, gouvernement leur appelle. Le gouvernement à travers Achana, ils sont disposés. Le Conseil national de la jeunesse a rencontré le Premier ministre qui dit qu'il va mettre tout en œuvre. Et moi, je vous dis, en 2014, quand nous sommes, revenus du Congrès, le Premier ministre nous a donné mandat de donner la vérité à qui a la vérité. Si c'est le gouvernement qui a tort, qu'on l'informe. Si c'est les syndicalistes ou nous qui avons tort, qu'on le dise. Et je crois que. Mais est-ce que vous avez fait votre travail, monsieur on le, le fait, on le fait. Nous sommes toujours avec les ministres. Nous avons toujours parlé euh, langage franc avec les ministres. Nous ne sommes pas de ces structures-là à venir faire du bruit pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes une structure de sages. Ce que nous menons, nous le menons en bas au profit de nos, enfants au profit du peuple. Nous n'avons pas à venir chaque fois crier pour dire que voilà ce que nous avons fait. Alaji Mustafa Kadi, en tant qu'acteur de la société civile euh, nigérienne, quelles sont vos propositions pour euh, ramener la sérénité dans nos écoles Bon, d'abord, je, dois euh, rappeler que les défis sont nombreux. Ça, nous, nous, l'avons toujours dit. Et personnellement, euh, j'en ai conscience. donc, euh, après les, les, avis, les suggestions des uns des autres, je pense qu'il faut maintenant aller vers les acteurs. C'est-à-dire si d'ores et déjà il y a un groupe euh, qui peut aller vers le Premier ministre, de demain, on peut le faire. Un autre groupe ou le même groupe euh, prend son, bâton de, commandement, comme on dit, il rencontre les, syndicats. Et puis, bon, demander aussi au gouvernement, et j'ai salué euh, la position du ministre qui a présenté officiellement ses excuses, ça c'est une bonne chose. Donc, puisqu'il y a déjà eu excuses, nécessairement maintenant pour nous, euh, le, conflit est, presque clos. C'est-à-dire nous sommes vers la fin du conflit. Eh bien, puisque nous sommes vers la fin du conflit, c'est-à-dire cette action qui avait euh, créé la rupture, Bon, maintenant, remettons-nous sur la table, sur instruction du Premier ministre. Et le Premier ministre doit veiller. Et ensuite, on doit faire beaucoup attention sur, sur la délégation qui sera composée. Parce que très souvent, euh, dans une délégation, lorsqu'on a des votes en guerre Rapidement, Kadi, rapidement. On peut facilement remettre en cause des acquis. Donc, cherchons des sages faisons-leur confiance, et puis, et puis après, on, observe. Après, s'il y a accord, on met en place un comité de suivi. Parce que très souvent, après les, protocoles, euh, l'absence d'un comité de suivi pour veiller à l'application euh, aussi nous amène à des, à des difficultés. Donc, il faut prendre en charge tous ces petits détails et puis voir ce que demain nous fera. Euh, Haruna Mahamadou, vous avez rencontré toutes les deux parties. Est-ce qu'il y aura d'autres initiatives à votre opposition? L'initiative, c'est le suivi. Nous nous sommes donné un temps pour rencontrer les acteurs et nous sommes en train de suivre parce que certes un délai a été donné et nous aspirons que nous, nous espérons que nous sommes toujours dans ces délais et nous allons bousculer pour que véritablement les engagements pris de part et d'autre soient respectés. Et je pense que vraiment, comme euh, les uns et les autres l'ont dit, il faut qu'il y ait un peu de, modération dans certaines prises de position, que ce soit du côté des acteurs syndicaux, que ce soit du côté du gouvernement. Nous sommes tous des Nigériens, nous n'avons pas à nous mépriser. Et je pense que chacun a choisi le chemin qu'il a choisi et il faut respecter chacun dans son domaine. En dehors de ça, il faudrait dire qu'aujourd'hui, si notre système est défaillant, c'est que nous ne pouvons jamais amorcer un développement socio-économique durable. C'est surtout ce qu'il faut avoir à l'esprit. Monsieur le vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants, votre mot de la fin euh, Le mot de la fin, rapidement. quelque chose qui me tient toujours à cœur, je ne peux pas comprendre aujourd'hui ces membres du gouvernement qui, dans la majorité, surtout ceux qui, sont, qui ont en charge l'éducation, sont des enseignants. Et tous les cadres d'ailleurs qui les encadrent, euh, qui, sont euh, euh, autour d'eux aussi, sont des enseignants. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait incompréhension entre des gens qui ont le même esprit et le même sens de formation pédagogique. Retenons que toutes euh, les parties, euh, toutes les parties euh, de ce forum du studio Kalangu ont marqué leur vœu de voir le dialogue renoué entre les différentes parties en conflit. Les deux parties sont donc obligées d'accorder leur violon pour la bonne réussite de l'école publique nigérienne. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Nous étions en ligne depuis deux soirs avec avec euh, aj Mustafa Kadi, acteur de la société civile. Nous étions également euh, dans ce studio avec euh, Wisselman Nasratan, vice-président de l'association des parents d'élèves et étudiants, et Haruna Mahamadou, président de la commission des affaires sociales du Conseil national de la jeunesse. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, mardi 28 mars, même heure, même fréquence. Vous serez en compagnie d'Alassane Kouzi Mamadou pour discuter et parler du rapport 2016 du PNUD sur l'indice du développement humain. Merci et au revoir.